Euh, Tra ainsi que beaucoup ñi euh, les acteurs de la presse locale en bas. euh mang leen di remercier aussi ci sen disponibilité ak son accompagnement que toutes les activités que nous avons jusque-là déroulées ont été quand même couvertes de façon impeccable par la presse donc je profite de l'occasion pour remercier leen bu baax donc Mbao émergent euh, c'est un mouvement qui a été bi euh, œuvrer pour le développement économique et social de notre commune di tout sur le plan politique il xam a politique ak développement euh, ça va de pair donc nous sommes dans la mouvance présidentielle Le président de la République Macky Sall Amodouba, Amadou comme candidat Nous lancé pour le Il y le le défaut condamné. Donc la campagne a déroulé, comme nous le savons, il y a quelques jours. Mais c'est une campagne qui présente euh, euh, deux contraintes majeures, comme nous le Il y a d'abord la contrainte temporaire. Moi, campagne, le c'est 15 jours. Hum, l'élection présidentielle, nous étions habitués à une campagne de 21 jours. Donc, bi, c'est une campagne de 15 jours. Déjà, l'autre, c'est une première contrainte parce que le Sénégal est vaste. La commune d'Ambawa, nous avons champ d'action Nek, euh, aussi c'est une très grande commune euh, avec toutes les localités yi nga xamante bi ñu de commune Mais pour faire le tour de cette commune nous savons tous que c'est extrêmement difficile en 15 jours Une contrainte majeure bi c'est le mois de Ramadan donc bobu aussi tamit fay tax n'importe quelle heure ngeen parce que durant la journée c'est un peu difficile durant la soirée aussi il y a des nit ñi bu ñu ba dañuy contraintes mais malgré tout malgré tout euh, le mouvement Binga nga Tenebi, je suis à sa tête émergent nous avons bravé toutes ces difficultés pour organiser notre campagne afin d'élire le président Amadou nos activités <coughs> se déroulent tous les jours à partir de 15 h dans toutes les localités Petit Mbao Grand Mbao Zak les nouvelles cités nous avons fait toutes ces localités là Nous avons fait une campagne pour privilégier les porte à porte et la sensibilisation parce que nous fait une élection la sensibilisation est très ci prévaloir parce que nous, ñi fait xaw les gens sont trop dans les illusions et les chimères même je dirais à tel point que nous, avons fait la nécessité et l'urgence de voter pour Amadou Ba dafa laaj ñu toog ak ñom de bouche à oreille pour xamal véritablement lan moy le véritable enjeu de cette élection dans toutes ces localités euh, nous avons démarré la campagne nous démarrons aux alentours de 15h-16h. def campagne bi ba heure rupture jeune bi ñu def pause nit ñi dog suñu paré dañuy dog ba paré rek naan ndox lek touti reprendre activité dans certaines localités nous sommes allés jusqu'à nous sommes allés jusqu'à presque 2 heures du matin comme comme c'est un peu vaste donc il faut nañ fa biñu ba jusqu'à 2 heures du matin si ay proximité ay porte à porte c'est pour vous dire que malgré toutes ces contraintes que j'ai citées euh, nous sommes en train de nous battre pour euh, faire passer le message bi nga xamante bi mom lañ idéal pour l'élection de Amadou dès le premier tour le dimanche prochain Inshallah. Je suis nak ñu ci parce que j'ai l'impression que quand même euh, nit ñi yakamti won né ñu ñu ñoo wax ak ñoo nit ñi suñu message j'ai l'impression que ci les gens ont compris les gens comprennent que Amadouba est l'homme qu'il faut par rapport à son parcours, par rapport à son expérience administrative d'abord, par rapport à son expérience gouvernementale. par rapport au ministère de souveraineté il y a un bi qui la diriger le économie et finance le mel affaires étrangères la diplomatie Et économie et finances de ko diriger à un moment crucial parce que diriger économie et finances au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent c'est un moment important un moment charnière moment Bobo, la est à la tête du ministère de l'économie et des finances c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné <coughs> pour les négociations financières Il nga le financement du plan Sénégal émergent donc Koko a toute l'expérience qu'il faut pour diriger un État Il faut fa des affaires étrangères ça c'est la diplomatie c'est régalien donc il faut quitter la primature donc Madame, euh, la coordination de toute l'activité gouvernementale sans à tout cela il faut ajouter son brillant passage à la direction générale des impôts domaines où il a été quand même le père euh, euh, de de la mise en œuvre du nouveau code général des impôts Il a boosté les recettes fiscales du Sénégal à des milliers de milliards par an donc pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à l'emploi c'est quelqu'un il déroule il déroule nous avons porté notre choix sur lui et nous savons que nous avons fait le meilleur choix et Inshallah, si le Sénégal se mobilise pour appeler le premier ministre le président Amadou Ba c'est notre texte Sénégal ci rampe véritablement rampe émergence parce que nous sommes sur la phase 3 du plan Sénégal émergent le PAP 3 le PAP 3 c'est la phase de l'industrialisation te industrialisation tomber xamante l'exploitation du pétrole et du gaz donc toute la jeunesse sénégalaise doit aujourd'hui garder espoir le premier ministre le bon choix et Inshallah les cinq prochaines années Inshallah. dans dana année création d'emplois. et ce n'est pas pour rien que nous annoncer qu'il va créer un million d'emplois c'est parce que xam c'est le moment qui est propice à la création de ces emplois avec l'exploitation du pétrole et du gaz et ainsi que l'industrialisation bi nga xamante ni la phase 3 du plan Sénégal émergent donc nous sommes yàlla bu baax ces messages que nous avons véhiculés auprès des populations nous savons que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd nous avons jox nañu wan nañu seen mbégte xamal nañu bëgg gi ñu bëgg Sénégal te xamal nañu ne ku bëgg Sénégal di nga def le meilleur choix et le meilleur choix c'est Amadou Ba et c'est au cours de cette campagne que nous avons enregistré et avec beaucoup de satisfaction euh, deux grands mouvements yoo xamante ne bi ñu ngi fii di œuvre fii ci mbaaw benn bi di PDP warum réew bu Njawar Sow beneen bi nga xamante ne bi moom lañ enregistré bésub tey bii mu doon vraiment bésu mbégte euh, di euh, And liggéeyal mbaaw pour sama grand frère Ngagne puy lolou yëpp nak ñu def ko dans le cadre de SMS parce que man bi may pour jàppale Amadou Ba je m'étais dit que je ne vais pas me limiter à mon mouvement parce que le Benno Bokk yakar uniquement ne suffit pas à élire notre candidat élection législative passée, le Benno le score cumulé de Benno tournait autour de 42, 43 jusqu'à 44 Nous savons que le, pourcentage restant pour que Amadou soit élu au premier tour, forcément, il faut que nous outillons les mouvements de soutien. dès le début, j'ai mis en place une synergie des mouvements de soutien SMS. Parce que je m'étais dit que j'ai un mouvement, mais ici en bas, il y a beaucoup de mouvements qui ont gravité autour de la sphère politique nous nous, ñëpp une ba plateforme qui xamante dana mëna a tax ñom ñu gis campagne bi ak ci élection Amadou Ba loolu moo ñu tek SMS bi euh, enregistrer ci un nouveau mouvement ñu japp né inshallah rabbi buñ ko au soir du 24 mars inshallah, à Amadou Ba dana am la journée d'aujourd'hui a été une très belle journée couronnée par une grande mobilisation des femmes de Mbao émergent mais defee ko ça a été une très belle mobilisation très réussie et machallah, pour pour le de di euh, sargal toutes les femmes de Mbao émergent elles ont choisi le mois de mars pour dégueuler sen bop fas jox Amadou Ba ndam lu dimanche prochain Inshallah voilà donc ta li wax en résumé par rapport à la campagne que nous sommes en train de dérouler moi li wax tout à l'heure euh, man je sais que le peuple sénégalais c'est un peuple mature sais nous lan mooy peuple mature lañ man ci yu père de famille yi wax nous mère de famille yi wax imam yi wax délégué de quartier yi wax gox yi la jeunesse à travers des présidents d'ASC des présidents de groupement de jeunes déglu na sax ay daara mais ne globalement les gens sont prêts à voter pour Amadouba. parce que comme je l'ai tantôt dit c'est un peuple mature peuple la boo ne bi xam nañu lan mooy état xam nañu ne réew du ay caaxaan réew kenn boo ko ci ay mais inexpert sa chance am mu tout à l'heure je ne vais pas y revenir am un candidat comme ça nga avec les leneen donc la population elle est consciente que Amadou est un homme qui a toutes les qualités qu'il faut et qui est prêt à l'emploi Et là, je sais que ça va se refléter au niveau des urnes dimanche prochain incha après moi, c'est moi nena nee euh, scrutin bi Amoudouba. amul lay amul damay ba parce que ça tombe <laughs> dans le mois de Ramadan ainsi que même la communauté chrétienne, euh, c'est dans le carême également. Par conséquent, ken amul lay pour man dañuy xëdd dem voter en masse ndogu jubilé Amadou Ba na pour man c'est le leitmotiv parce que toute la journée les gens n'ont pas grand chose à faire durant le mois de Ramadan et le scrutin tombe sur un sur un jour de dimanche donc si dimanche nous teel le le vote a voté ji il reste deux ou trois jours comme nous l'avons ko la campagne se poursuit tay dañ ko defoon sunu break pour faire notre cérémonie avec les femmes et aussi officialiser suñu que ak Ngagne mais dès demain inchallah, on sera à la cité de Marie pour continuer les visites de proximité avec mon ami et frère Ndiawar et après je pense qu'il y a l'étape de Ndoyen donc l'autre étape d'ici le jour du scrutin mais les gens restent plus que jamais mobilisés dans toutes les localités Fuma nek, ak fuma les gens sont prêts à la victoire de Amadou le dimanche inshallah donc appel bi Moy, rester déterminé et engagé il faut les gens les gens sont déterminés et engagés pour faire triompher notre candidat. Merci. Je vous